kon président presidente ko ko jox kon président ci dooleem la joxe premier ministre contre cinq ñu ko déedéet kay constitution article 43 moom moo ni yow premier ministre da nga am droit di contre signé bu président signé par décret kon kay du mbiru président mbiru premier ministre la premier ministre moom moom contre cinq Ousmane Sonko moom contre cinq kon liñ toppoon ba jaxate ak. Imam Cheikh Abed qui offense à une autorité ayant ou exerçant des pouvoirs du président nous ko lan la contre fin kon vous, sama gars yi ne de force lan la sama gars yi lu lépp lu laal li mu waxoon na ci table ci amul lenn lu waxti newul firne baa ngi nii waaw ana division fausse nouvelle bi amu fa dañ le 3 juin ñetti fan ci weeru juin bii di ñëw muy altine bii di ñëw procureur ne nañ tëj gaay juróom benn weer saa mu indi benn dara dara sun sun loxo waaw juróom benn weer ku ko deful dara yéen mas ngeen ko gis boo <laughs> tax ñun daal suñu xel dal na ndax ñi atte moom ñoom moom seen bopp procureur nag moom ñëpp xam nañ ni jàmbaar la waaye nag dafa am ñoo ko chef vous avez tous assisté à cette audience qui vient de s'achever et qui a démarré depuis ce matin depuis quand au Sénégal existe-t-il le délit d'offense au Premier ministre. C'est ridicule. On dit que le Premier ministre, par son pouvoir de contre-saint, exerce une partie des prérogatives du président de la République. Faux Archi faux. C'est la constitution sénégalaise. En son article 43, qui donne le pouvoir de contre-saint au Premier ministre, qui doit contre-signer les décrets signés par le chef de l'État, président de la République. Donc le pouvoir de contre-saint n'appartient guère au président de la République pour qu'il puisse le donner au Premier ministre. C'est la Constitution qui donne ce pouvoir au Premier ministre. Donc erreur par rapport à cette infraction donc, qui est visée et qui n'existe pas. La deuxième infraction visée, division de fausses nouvelles, vous étiez dans la salle. Aucune, aucune nouvelle n'a été déclarée fausse, rien. Tout a été prouvé. Badiakate a fourni toutes les preuves qu'on lui a réclamées. Ce procès n'avait même pas sa raison d'être. Le délibéré attendu le 3. Mais nous sommes confiants. Nous avons confiance en la justice du Sénégal. Cette justice-là, elle est forte. Elle demeure debout. Le procureur a demandé six mois. Oh, mais tout le monde sait qu'il n'y avait aucun argument pour même, pour même les juger. On aurait dû assister à un classement sans suite.